heures passées de 15 minutes à Niamey. Monsieur, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Au micro, Nafis Adamou Sirfo. Rappelons que le réseau des radios partenaires du Studio Kalangou s'est élargi à la radio Sogi d'Ayoru, Alher de Bankilare et Challenge FM 96.6 à Niamey, soit un total de 34 radios sur l'ensemble du Niger. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Le mariage des enfants au Niger, ampleur et défi, c'est la thématique du forum de ce soir. Pour cela, nous avons dans ce studio Madame Mariam Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Bonsoir à vous, Madame. Bonsoir. Nous avons également Monsieur Alzuma Traoré, chargé des programmes à la même ONG, l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de M. Ousmane Amadou, directeur général de la protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Alors, euh, quelles sont les vraies raisons qui poussent les parents à marier leurs enfants très tôt Dans quelle zone du Niger les enfants sont mariés très tôt et quelle est la situation actuelle de cette pratique au Niger Quelles sont les conséquences sanitaires et sociales euh, de cette pratique Quelles sont les actions menées par l'État et les ONG qui œuvrent pour la réduction de cette pratique pour lutter contre le mariage des enfants C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de répondre pendant 45 5 minutes. Merci, chers invités, une fois de plus. Euh, mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je vous donne la parole, Madame Mariama, pour nous présenter votre structure, euh, les objectifs, les missions de votre ONG. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales est une organisation non gouvernementale créée en novembre 1998 par un groupe de femmes et d'hommes dans la perspective de plus de conscience du phénomène de la violence et de la gravité de la situation d'une part, et d'autre part sur les moyens de remédier à toutes les formes de violence et de discrimination dont sont victimes les femmes et les enfants au Niger. Donc euh, l'ONG a pour mission la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination faites aux femmes et aux enfants Monsieur Alzuma, euh, vous pouvez ajouter quelles sont vos zones d'intervention L'ONG SOS intervient euh, dans les huit régions du pays. Donc, euh, nous avons des antennes au niveau des huit régions du pays. Donc, c'est une ONG d'envergure nationale qui est en train de, de, descendre même maintenant au niveau des départements, parce que nous avons aussi des antennes au niveau des départements de Walam, de Matame Donc, et ça se poursuit. Et nous, notre ambition, c'est vraiment que nous soyons présents dans toutes les contrées de notre pays. Je reviens vers vous, Madame Mariama. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons discuter sur la, euh, autour de la thématique mariage des enfants ici au Niger. Alors, euh, comment vous définissez le mariage des enfants Le mariage euh, des enfants, qu'on appelle communément mariage précoce, est une union où les conjoints n'ont pas l'âge exigé la loi. Donc, euh, tout enfant qui est marié avant l'âge de 18 ans a contracté un mariage précoce et même forcé. Parce que des fois, c'était pas sur la base d'un consentement personnel. Le mariage euh, forcé, comme le nom l'indique, est celui qui s'est fait sans le consentement de l'intéressé. Et généralement, tout mariage précoce est même forcé. Et donc, euh, comment vous analysez cette euh, situation, cette pratique ici au Niger Bon, au Niger, euh, comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, la tradition veut que l'on marie les filles très tôt. Mais afin de donner un cadre législatif aux conditions du mariage, le gouvernement nigérien a défini par la loi l'âge légal du mariage. Selon l'article 144 du Code civil, le mariage est interdit avant l'âge de 18 ans pour le garçon et 15 ans pour, la, jeune fille. Donc à ce niveau même, on peut parler d'une discrimination faite à l'endroit de la jeune fille. Donc euh, toutefois, s'agissant des mineurs, ce code prévoit que le consentement des ascendants est nécessaire. Donc euh, la législation nigérienne conforte ainsi la tradition selon laquelle le mariage est avant tout une affaire de famille, où la vie des tierces prime sur celui des intéressés. Donc, euh, nous pouvons dire que le mariage précoce est un phénomène qui existe au Niger aussi. D'ailleurs, le Niger enregistre le plus fort taux en Afrique subsaharienne et ce taux est l'ordre de 116,3%. Mm. Ce qui est énorme. Monsieur Alzouma, et selon vous, euh, cette pratique, euh, le fait de donner euh, très tôt les enfants, quelles sont les raisons d'une telle pratique dans nos sociétés bon, dans, nos sociétés, la plupart des temps, les gens mettent en avant, par exemple, des causes structurelles comme la pauvreté. Le mariage précoce ou le mariage des enfants est une stratégie de survie familiale et qui est une donc l'enfant qui est considéré comme une charge, surtout en période économique, donc on veut s'en débarrasser. Le mariage précoce est aussi une stratégie pour éviter des grossesses hors mariage ou la débauche de la fille. Donc voilà pourquoi les parents préfèrent donner leurs enfants en mariage à bas âge. Le mariage aussi envisagé comme une solution pour se débarrasser de fois des, des orphelins qui constituent des charges pour leur tuteur. Donc, euh, si les parents ne, ne, sont plus en vie, donc euh, on veut se débarrasser des, enfants. Et le meilleur moyen qu'on trouve, c'est vraiment de donner ces enfants en mariage très tôt. Il y a aussi des causes sous-jacentes, c'est-à-dire l'allongement de la période de la procréation pour la femme. Si la femme se marie très tôt, donc elle va avoir une période de procréation beaucoup plus, plus longue. Ça aussi, c'est une cause. Et aussi, le mariage précoce comme une stratégie de construction familiale. Donc vous voyez, il y a tellement de, causes que les gens avancent pour euh, justifier le mariage des enfants, mais qui, à notre sens, ne sont pas en tout cas des raisons valables. Parce que tout ce qui peut mettre en danger la vie d'un enfant ne peut pas être accepté par notre société. Et comme euh, je l'annonçais, notre euh, troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de M. Ousmane Amadou. Donc, je m'appelle Ousmane Amadou. Je suis donc euh, le directeur général de la protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Je m'excuse donc euh, pour ce léger retard indépendamment de ma volonté. Merci. Et donc euh, la thématique de ce soir, c'est le mariage des enfants au Niger, l'ampleur et défis. Quelle analyse vous pouvez faire de, de, cette pratique, le mariage des enfants ici au Niger Ok, bon, avant d'aller en profondeur, bon, les résultats des analyses qui ont déjà été faites. Donc, euh, relève euh, un taux de mariage d'enfants euh, de 76% des jeunes filles qui se marient, donc avant l'âge de 18 ans dans notre pays, et ce qui constitue pour nous une préoccupation parce que la question du mariage d'enfants est avant tout une question de protection de l'enfant mhm. parce que c'est des jeunes mineurs qui se marient et en se mariant donc ça crée beaucoup de problèmes mhm. problèmes de santé donc qui dit mariage dit procréation. Et lorsqu'on conçoit et qu'on est appelé à, accoucher dans des conditions où la maturité physique n'est pas là, il y a des difficultés. Et ce qui fait que beaucoup de ces jeunes filles-là qui se marient très tôt, donc euh, se retrouvent avec des fistules obstétricales, donc euh, des problèmes de santé qui compromettent carrément il se retrouve dans une situation de rejet par le mari lui-même. Lui qui en est l'auteur les rejette en premier lieu. Ce sont là la des belle famille. Voilà, voilà. Donc la belle famille la rejette, la société rejette. Et donc, euh, vraiment, c'est une préoccupation pour notre. Sans compter que c'est une perte pour le développement du pays. Elles sont handicapées. Pour donner une fille à mariage ici au Niger, quel est l'âge minimum Bon, toute la difficulté qu'on a au Niger, c'est cette question d'âge. Donc, il n'y a pas, en tout cas, un âge qui est là, euh, euh, que les gens arrivent à accepter. Mais le Code civil a prévu 15 ans euh, pour les jeunes filles. et 18 ans pour les garçons. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus autour de cette, question d'âge. Mhm. C'est toute la difficulté qu'on a. On s'est dit que, bon, nous, notre lutte, au moins, qu'il y ait, parce que nous, luttons pour, pour l'égalité et l'équité. Si on dit 18 ans, qu'on ramène au moins 18 ans pour tout le monde. Mais le fait de dire 15 ans pour les garçons, 18 ans, 15 euh, ans pour les filles, 18 ans pour les garçons, là, il y a une rupture déjà qui Oui, mais selon vous, pourquoi euh, cette décision de l'État n'est pas tellement respectée dans tout le pays Parce que dans des euh, campagnes, les enfants sont mariés même avant l'âge de 15 ans. Pourquoi, selon vous, cela n'est pas respecté Est-ce par un manque de sensibilisation bon, vous, avez, vous savez, le problème qui est là pour des pays comme les nôtres, c'est la question question du contexte socio-culturel. En mhm. réalité, c'est ça le nœud du problème, la, question du contexte socio-culturel. Ce qui fait que euh, les gens, comme vous l'avez dit, en milieu rural, marient même avant 12-13 ans. Les, jeunes filles sont mariées. Et le, problème est dû au fait que nous sommes dans un contexte socio-culturel où les gens, euh, chacun a peur. Parce que nous sommes aussi, on ne doit pas l'occulter, le mhm. monde évolue, les choses changent. Avant, euh, le contact entre une jeune fille et un garçon, mhm. vraiment, c'est à un âge très, très, avancé. Mais maintenant, nous sommes dans, un contexte où vraiment la sexualité est précoce. et ce qui fait que cette précocité de, la sexualité fait que les parents ont peur. Parce que mhm. lorsqu'une fille contracte une grossesse, en dehors du mariage, non seulement ça ternit son image elle-même, ça ternit l'image de la famille et l'image de la communauté. C'est ce qui fait que très tôt, les gens, dès qu'ils commencent à avoir un peu des manifestations, les enfants sont confiés en mariage, Madame, donc Oui, Madame Mariama, euh, vous, vous intervenez, votre ONG intervient dans tout le pays et à travers euh, vos investigations et autres, dans quel milieu les jeunes sont mariés très tôt selon vous Le mariage euh, précoce est partout. Bon, sauf que vers l'Est, il est plus fréquent de voir les filles données en mariage avant même l'âge de 15 ans. Vers l'Est, euh, précisément. Vers l'Est, euh, dans les régions de, de, euh, Zender, Maradi et même Matamei, le département de, de Ici, vers l'Ouest aussi, la région de Tilaberi où nous intervenons présentement, puisque hmm. que le mariage précoce est, plus, est beaucoup plus fréquent vers Torodi, mmh. Saï, et en tout cas, c'est un phénomène qui est un peu partout. Euh, la fréquence, c'est vers l'est. C'est vers l'est. Mais qu'est-ce qui, explique ce état d'effet selon vous Vous savez, quand une fille n'est pas scolarisée, elle ne peut que se marier, se marier avant un âge euh, vraiment requis par, euh, par la, Convention, puisque la Convention des droits des enfants a défini l'âge du mariage à 18 ans. Or, si vous constatez, les filles qui sont vers l'Est là, c'est des filles qui s'adonnent à la vente, euh, à la criée. Et pourquoi elles s'adonnent à cette activité-là C'est juste pour avoir de quoi payer leur trousseau de mariage. Mais quand la fille s'adonne à cette pratique, et il vient de dire que les parents ne veulent pas qu'elle soit une fille dévergondée, qu'elle se retrouve un beau jour dans la rue, ils préfèrent vraiment la marier que de la laisser contracter une grossesse hors mariage. Donc vous voyez, et vous savez que c'est des régions où vraiment les filles s'adonnent très tôt à l'activité commerciale. Ça, il faut le dire. Mm-hmm. Il est rare de voir une fille ici à Niamey en train de s'adonner à la vente, à la criée. Alors que quand vous partez à Maradi, dans euh, toutes les rues, vous allez rencontrer ces filles-là. Mm-hmm. Et même à Zender. Tawa aussi n'est pas resté euh, en, marche. Merci à vous. Euh, la pauvreté serait l'un des facteurs favorisant euh, le mariage des enfants. Qu'en est-il de la situation ici à Niamey et les régions environnantes À Niamey, encore, ça va, parce que c'est vrai, Niamey, la particularité de Niamey, c'est qu'il y a une zone urbaine et une zone périurbaine. Et aujourd'hui, même en milieu périurbain, quand même, la tendance va en diminuant. Parce que tout simplement, il y a eu tellement de sensibilisation et les gens aussi sont beaucoup plus euh, aux côtés des, euh, ONG, associations et les différents ministères qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre ce phénomène. Mais en milieu rural, vraiment, euh, par exemple, la, plupart des cas que nous recevons, c'est des cas qui viennent des, villages de Tilabieri Comme vous voyez, Niamey, comme Niamey à côté de Tilabieri donc c'est pratiquement le département de Kolo qui entourent Niamey. Donc, euh, la plupart des cas qui viennent à Niamey, c'est des cas qui sont ressortissants de, ce département. Mais sinon, comme la présidente a eu à le dire, et il y a le département de Torodi, de Saï et de Terra, qui aujourd'hui aussi vraiment occupe une place très importante dans, au niveau de ce, problème. Et c'est ce qui explique d'ailleurs euh, notre intervention avec l'appui de Oxfam dans ces trois départements-là où nous sommes en train d'implémenter un projet. Monsieur le directeur, quelle est la situation même actuelle de cette pratique ici au Niger en termes de statistiques Oui, merci. Donc en termes de statistiques, je disais qu'il y a parmi les femmes actuellement mariées de 20 à 24 ans, il y a 76,3% donc qui étaient mariées avant l'âge de 18 ans. Donc là, c'est vraiment une préoccupation. Nous avons aussi 34% des adolescentes âgées de 15 à 19 ans qui meurent d'une cause associée à l'accouchement. Et donc, euh, vous voyez que là, c'est vraiment une préoccupation par rapport à l'État, comme je le disais tantôt, mm. tout à l'heure. Et nous avons également euh, donc euh, un taux élevé de femmes fistuleuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont aussi liées à ces mariages précoces. Et ce qui fait que vraiment pour euh, l'État, toutes ces fistuleuses sont appelées à être prises en charge, ce qui fait que non seulement il y a des conséquences que nous avons dit sur le plan social, mais il y a aussi des conséquences sur le plan économique, parce que l'État a le devoir aussi d'assurer la, santé de toutes ces malades-là. Même s'il y a un rejet social qui est là, l'État est obligé, vous voyez, c'est à travers, l'État est obligé en dernier ressort de récupérer toutes ces femmes-là dans des centres pustuleuses où on essaie de leur réinsérer socialement. À travers les études que l'État a menées, quelle est la région la plus touchée par euh, cette pratique euh, Les régions les plus touchées, je ne dirais pas là, mais les, comme l'a dit Mariama, c'est vraiment les régions de l'Est du Niger qui sont les plus touchées. Et nous avons dit que ce phénomène du mariage d'enfants est en lien avec la culture. Et ces régions du, nord, de l'est du Niger, c'est pas qu'elles sont <laughs> plus musulmans que les autres régions du Niger, mais c'est l'influence de notre voisin. Elles sont influencées par ce qui se passe au Nigeria. Et donc le nord Nigeria qui est vraiment islamisé, où on a, ils partagent beaucoup de choses. Pratiquement c'est le même euh, rythme, le même mode de vie, ce qui fait que vraiment, euh, ce sont ces régions-là, Zender, Maradi, qui sont les régions où le phénomène vraiment sévit le plus. Et comme elle l'a dit aussi, les raisons, on l'a déjà évoqué, c'est que ces jeunes filles-là, très tôt, elles sont dans les rues pour des activités commerciales. Le petit commerce, les AGR que leur mère pratique, donc c'est elles qui sont censées sortir pour les vendre. Et en sortant, il y a toujours une tentation qui est là. Il y a une tentation qui est là, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que la jeune fille finit par céder. Et lorsqu'elle cède, finalement, la famille est déshonorée. Donc euh, la société, de manière, c'est ce qui fait que les gens vraiment préfèrent dès qu'elle arrive à avoir son petit <laughs> trousseau parce qu'elle le commence de très tôt, à 6 mhm. ans, 7 ans déjà. Donc dès qu'elle a son, trousseau de mariage, on <laughs> n'attend plus rien. Donc on la marie. Madame Mariama, euh, votre ONG lutte contre euh, ces, violences-là faites euh, aux enfants et aux femmes. Est-ce que euh, vous à la date d'aujourd'hui, vous enregistrez enregistré des cas de plaintes de jeunes filles qui ont été déjà données en mariage très tôt ou bien même qui, sont confrontées à ce problème Oui, au niveau euh, de notre centre de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, nous enregistrons des cas de plaintes liées soit au mariage précoce et même forcé. Voilà. Donc, euh, c'est pour te dire que même ici à Niamey, il y a des plaintes, en région du pays aussi. Et à chaque fois, le responsable de prise en charge qui est là à côté, Alzoma, intervient à partir de, Niamey, même jusqu'en région. Puisque quand l'affaire atterrit entre nos mains, nous nous essayons dans un premier temps de faire de la médiation. Mm voir si à l'issue de cette médiation-là, les parents euh, euh, vont renoncer à leur tentative de mariage. Mais dans le cas échéant, nous sommes obligés de faire euh, intervenir d'abord, si c'est à Niamey, le service de protection des femmes et des mineurs, qui est au niveau du commissariat central. Et si toutefois ce service n'arrive pas vraiment à influencer les parents, à ne pas marier leur fille. Et même ce service est obligé de euh, faire un PV qu'ils envoient au niveau du, du procureur et qui peut-être le transmet chez le juge des mineurs. Et arrivé à la justice, il y a des parents qui savent que c'est le dernier recours. Ils n'ont plus rien à faire mm. parce que c'est soit euh, accepter de renoncer ou bien aller en prison. Et du coup, ils comprennent et il, signe d'engagement comme quoi il renonce à ce mariage. Bon, pour des détails, là, Alzuma va te les donner mm-hmm. par rapport au cas qu'on mm-hmm. reçoit. Mm-hmm. Peut-être qu'il a même quelques chiffres en tête. Il va te le dire. Oui, Alzuma, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple récent de, plaintes enregistrées au niveau de votre ONG Bon, en ce qui concerne le, cas de mariage des enfants, donc comme la présidente a eu à le dire, et nous en recevons quand même euh, des cas, même si et présentement, la tendance, quand même, euh, va en, en s'amenuisant. Et là aussi, je pense qu'on va le mettre à l'actif de toutes les actions de sensibilisation et de plaidoyer que les ONG et les structures de l'État sont en train de faire pour lutter contre ce phénomène. Mais sinon, si on se réfère un peu à, à des dates antérieures, là, pratiquement sur 10 cas que nous recevons, vous allez voir qu'il y a au moins les cinq qui constituent eh, des cas de mariage d'enfants ou bien de mariage forcé. Mhm. Bon, mariage forcé et précoce, ça va de pair parce que un mariage euh, sans consentement, tant que eh, le consentement n'est pas requis, donc, euh, et or, un mineur, son consentement n'est pas valable. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on marie un mineur, c'est que c'est un mariage forcé aussi. Mhm. Donc, vraiment, euh, de ce point de vue, je dirais que nous en recevons, mais quand même maintenant, ça se diminue de plus en plus ici au niveau de Niamey. Mais en région, ça persiste toujours et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que vraiment cela cesse. Et c'est vrai, comme ils ont eu aussi à le dire, aujourd'hui le problème que nous avons, c'est surtout au niveau des lois. Il y a vraiment une multiplicité de sources de droit, mais aussi, eh, par exemple, si on prend eh, l'âge on dit que le code civil dit que euh, la fille peut se marier à 15 ans et le jeune homme à 18 ans, alors que euh, la, Convention relative aux droits de l'enfant fixe l'âge à 18 ans. Donc vous voyez déjà, là, il y a une différence. Et quand on prend aussi euh, la Déclaration des Nations Unies, donc là, elle, fixe, elle dit l'âge nubile. Donc l'âge nubile, on peut comprendre par l'âge nubile parce qu'il y, y, a des jeunes filles qui sont nubiles à 12 ans, 13 ans. Donc vous voyez, là encore, ça vient, ça réduit encore euh, l'âge. Donc maintenant, c'est que, surtout ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de batailler, c'est pour qu'on ait vraiment une date et un âge qui va être accepté par tous, un âge consensuel. Si c'est les 18 ans, il faut que ça soit uniforme, les 18 ans. Et si ce n'est pas aussi 18 ans, il faut aussi qu'on le sache. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est au niveau des sanctions. Aujourd'hui, au Niger, il n'y a aucune loi qui sanctionne le cas des mariages forcés et précoces. Malgré que toutes nos tentatives, en tout cas, de rallier ce phénomène à la mise en danger de l'état d'une personne, mais ce que, comme vous le savez, en, droit pénal, on ne peut pas substituer un acte à un autre. Donc on ne peut pas faire euh, euh, ce transfert-là pour dire que à chaque fois qu'une personne marie un enfant, c'est comme s'il le met en danger et qu'il y a un article du Code pénal qui prévoit des sanctions. il faut qu'il y ait spécifiquement des, articles du Code pénal qui sanctionnent cela. Mm. Or, aujourd'hui, au Niger, mm. on n'en a pas. Donc, vraiment, toute notre bataille que nous sommes en train de faire, c'est pour que on s'achemine vers cela, mm. qu'il y ait des sanctions en cas de. Aujourd'hui, tout ce que nous avons sur les tout ce que les magistrats font, c'est annuler. On peut annuler le mariage. Mais nous, ça ne nous suffit pas on veut que quand on annule, mais aussi que l'auteur soit sanctionné. Merci à vous, monsieur le directeur. Comme vous venez de l'entendre, euh, il n'existe pas de sanctions ici au Niger euh, face à cette euh, pratique. Comment vous expliquez cela Merci, eh, madame Nafissa. Effectivement, la difficulté, c'est que eh, il est difficile dans le contexte qui est le nôtre de légiférer par rapport aux sanctions parce que les hommes politiques eux-mêmes ils ne sont pas, ils sont issus de, cette même société. Mm. Donc, il y a une forte influence qui est là, qui fait que surtout dans un contexte euh, <laughs> de démocratie, où c'est vraiment la, loi des urnes, donc euh, l'homme politique a des difficultés vraiment à se mettre en marge de son contexte social. Même s'il y a des engagements qui sont pris au niveau international, on fait des efforts pour un peu améliorer, mais souvent vraiment prendre de manière des textes rigides par rapport à ce qui là c'est très problématique. C'est pour cela nous, on, on, dit, c'est vrai, il faut faire un effort d'améliorer, mais en tenant compte du contexte. Comment faire en sorte Moi, ce que j'ai l'habitude de dire dans mes débats hors micro, avec, euh, dans mes fadas, que nos juridictions, souvent, sont trop collées aux juridictions occidentales. C'est de la copie collée. Il faut regarder nos réalités. Quand on a étudié le droit, on doit vraiment être en mesure de se coller à son contexte pour élaborer des lois vraiment qui vont moins frustrer et qui vont nous permettre de régler beaucoup de problèmes dans nos communautés. Mm. Et pour revenir un peu à cette question de loi, nous, on est conscient qu'avec la loi, l'idéal, c'est la loi. Mais comme on est conscient qu'il y a des limites par rapport à cette loi-là, nous sommes en train d'expérimenter un programme à base communautaire. Le programme à base communautaire sur les questions de protection de l'enfant de manière générale dans lequel se trouve la question du mariage, des, enfants. des, enfants. Donc ce programme communautaire avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF, nous sommes en train de l'expérimenter en région. Et vraiment, il est en train de donner ses résultats et nous envisageons de l'évaluer au cours de cette année pour voir. Parce que déjà, il y a des résultats probants qui sont là, mais mm. nous voulons confirmer, confirmer ça à travers une étude, étude, une évaluation. Et donc, cette pratique consiste à impliquer les lutteurs clés, les acteurs communautaires clés sur la question du mariage d'enfants. Les leaders religieux, les leaders coutumiers, les leaders des jeunes, les associations féminines, pour qu'ensemble qu'on comprenne l'enfant là, celui qui doit le protéger, c'est pas d'abord l'État. C'est pas une question de loi. C'est d'abord les parents. La mhm. première, le premier cercle de protection d'un enfant, c'est d'abord la cellule familiale. C'est quand la cellule familiale est défaillante, la communauté prend le relais. Mhm. Lorsque la communauté est défaillante, l'État prend le relais. Mhm. Mais nous, nous voulons que le problème soit réglé au niveau de la famille, euh, euh, de la cellule familiale les parents comprennent, c'est d'abord leur devoir de protéger leurs enfants. Je ne vois pas ce parent-là qui sera content de voir son enfant devenir fistuleuse à cause du mal C'est pour cela, donc, nous sommes vraiment en train, on a réussi, comme il l'a dit, à remettre, à reporter des mariages, à euh, vraiment euh, créer des consensus souvent face à certaines situations, à amener mhm. les gens à comprendre à mhm. travers la sensibilisation des chefs que j'ai évoqués, mhm. à reporter les mariages. Mais nous estimons aussi, que l'une des solutions serait de, de passer par euh, l'école, la scolarisation. Parce que, comme elle l'a dit, Mariam l'a si bien dit, dès que la jeune fille, dans le contexte qui est le nôtre, n'est pas à l'école, il n'y a pas d'alternative que de la marier pour les parents. Donc nous sommes en train de, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts ces dernières années pour la scolarisation de la jeune fille. Et récemment, nous venons d'adopter, le gouvernement a adopté un décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en mhm. cours de scolarisation. Et beaucoup de choses sont en train d'être faites pour lutter contre de la... Nous allons revenir sur les actions que l'État entreprend euh, pour lutter contre ce phénomène. Madame euh, Mariam, je reviens vers vous. Euh, selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette pratique bon, Comme conséquence du mariage précoce ou forcé, nous avons dans un premier temps la violation des droits humains et le non-respect du droit de la fille à jouir de son intégrité physique et morale. Hein? y Deuxièmement, l'atteinte à la santé de la fille, puisque une fille qu'on marie à un âge précoce et de manière forcée, donc euh, est confrontée à une agression et une violence sexuelle de la part euh, de son époux. Il y a des décès en couche. Quand la fille a la grossesse ou elle n'a pas l'âge requis pour procréer, au moment de l'accouchement, il peut y avoir décès en couche. Soit elle perd la vie ou bien ou bien perdre non seulement sa vie et la vie de son enfant. Et il y a l'handicap aussi pour l'éducation de la jeune fille, Parce que généralement, ces filles sont retirées de l'école pour être mari Donc, euh, il y a l'abandon des études. Il y a même des, des, des, filles qui sont au collège, qu'on retire de l'école pour les marier. Et une fois chez le mari, il y a la domination de la femme par le mari. Et il faut qu'elle soit une femme euh, soumise et de manière fatale. Il y a aussi la faible capacité économique de la femme, puisque une femme qui ne fout rien, qui est là à la maison, une, ça donne aux tâches domestiques, ne détient pas d'un pouvoir économique. Donc, on ne peut même pas parler de son autonomisation. Voilà. Et il y a la fistule obstétricale aussi, qui est aujourd'hui une conséquence très grave du mariage précoce. Donc, euh, il y a non seulement l'activité sexuelle précoce qui est là, mais il y a aussi l'écoulement des urines. La femme perd des urines à tout moment du coup, elle est rejetée non seulement par le mari et par les parents aussi, puisque nous avons l'habitude de voir des parents qui abandonnent même leur fille au niveau du centre, de réinsertion, des, femmes fistuleuses. Mais au finish, elle devient une charge pour l'État. Donc, c'est l'État qui s'en occupe. Grosso modo, voilà euh, en quelques mots, quelques conséquences que j'en connais. Monsieur Alzuma, toujours au niveau de votre ONG, euh, face à toutes euh, euh, ces conséquences, ces effets néfastes, quelles sont les actions que vous menez pour venir en aide à ces, jeunes qui se retrouvent dans de telles situations <coughs> Bon, <coughs> nos interventions dans ce domaine sont de deux ordres. Nous avons d'abord l'aspect préventif, donc c'est tout ce qui a trait donc aux sensibilisations que nous menons et comme l'a dit le, monsieur le directeur euh, tout à l'heure, nous privilégions toujours le consensus. Parce que des fois, on se rend compte que euh, c'est à certains parents qui font ce mariage, ce genre de mariage, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'informations, mm-hmm. ils n'ont pas euh, suffisamment de connaissances par rapport aux risques que courent leurs enfants. Comme il l'a dit, aucun père aujourd'hui ne va accepter de mettre son enfant dans une situation de ce genre. Donc, en en les sensibilisant, en discutant avec eux, ils arrivent à comprendre et à abandonner ce projet de mariage. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a comme aspect préventif. Maintenant, toujours aussi par rapport à cet aspect préventif, vous l'avez évoqué, les réflexions au niveau des communautés. Donc euh, nous en faisons aussi. Présentement, nous mettons en œuvre un projet euh, de 5 ans sur le mariage des enfants dans la région de Tilabiri, notamment les départements de Saïtera et Torodi. et euh, ce projet-là prend en compte tous les aspects, en tout cas tous les acteurs qui qui peuvent contribuer ne sont pas mis de côté. Que ce soit les leaders religieux, les chefs traditionnels, les, enseignants, les jeunes eux-mêmes, les femmes, les hommes, en tout cas tous. Les forces de défense et de sécurité, la, justice, la santé, tous les acteurs en tout cas sont concernés par ce projet et ont leur mot à dire par rapport à la bonne marche de ce projet-là. Euh, et nous sommes en train d'enregistrer des résultats, en tout cas très probants, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Mm. Les jeunes, même en tant que tels, selon vous, dans de telles situations, comment ils doivent s'y prendre euh, pour défendre leur cause Bon, là, euh, vous voyez, les jeunes aussi, des fois, n'ont pas suffisamment d'informations. Ils n'ont pas suffisamment d'informations parce que nous, euh, dans nos sociétés, il y a certaines informations que les jeunes doivent avoir de leurs parents, mais compte tenu de la sensibilité de certains thèmes, les parents ne discutent pas. Mm. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous privilégions le fait que les jeunes et puissent être sensibilisés par leur père. C'est-à-dire quand on sensibilise eh, certains leaders dans les communautés, ils seront à mesure de partager avec leur père pour qu'ils puissent avoir toutes les informations par rapport à ce qui les concerne. Et en ce moment-là, ils peuvent défendre leurs droits et vraiment éviter certaines choses qui peuvent être évitables. Monsieur le directeur, on sait que ce phénomène euh, n'est pas appelé à, à finir de sitôt. Et donc, quelles sont les actions que l'État mène pour lutter contre le phénomène. Permettez-moi, il y a une conséquence importante sur laquelle euh, on n'a pas, mhm. qu'on n'a pas, évoquée, c'est les conséquences sur euh, les enfants issus des mères mariées précocement. Mhm. Eux-mêmes, ils subissent les conséquences. Mhm. La jeune fille qui est mariée à un âge précoce, elle se retrouve avec une grossesse, elle ne connaît pas comment s'y prendre, elle n'a aucune expérience, elle se trouve avec un bébé, et en dehors de la fistule dont on a fait cas, elle se trouve à un bébé face auquel elle ne sait même pas quelle attitude prendre. Ce qui fait que l'âge de la mère est très déterminant d'après les études sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Elle ne sait pas comment s'en occuper. Donc, euh, ce qui fait que là aussi, c'est un élément important. Et sur l'économie, l'économie parce que l'économie et la fécondité. Parce que quand on se marie, nous sommes un pays déjà qui, a un taux de fécondité le plus élevé au monde, 7,6 mhm. enfants. C'est vrai, c'est une richesse, mais qui a besoin d'être entretenue malheureusement, la pauvreté aidant, on a du mal à entretenir ces enfants-là. Mhm. Et du fait de cette forte fécondité, on se retrouve avec euh, une masse d'enfants à scolariser, à soigner, à nourrir et à employer plus tard. Ce qui fait qu'il y a des conséquences énormes sur l'économie, dans un pays qui a une économie vraiment eh, qui est encore au stade euh, qui n'est pas développée, cela fait que il y a des études ont montré plus de 500 millions de dollars sont injectés sur l'éducation. Ça a un impact sur l'éducation des enfants. Et donc euh, voilà en fait euh, sans compter la prise en charge de ces, de ces femmes fistuleuses. Et donc, les actions que le gouvernement est en train de mettre en place, en tout cas, nous, au niveau de notre ministère, et nous sommes en train de mettre en place de préparer un plan d'action national pour lutter contre le mariage des enfants. Plan d'action national qui implique bien sûr tous les acteurs, les ONG nationales et internationales, les ministères sectoriels comme elle l'a évoqué, la justice, tout le monde. Tous les acteurs sont là et nous sommes en train de préparer ce plan d'action-là qui va être une réponse adressé à cette question du mariage d'enfants. et comment vous entendez le mettre en œuvre, ce, plan plan Nous entendons le mettre, nous, sommes encore dans le processus, on a recruté des consultants donc, qui vont nous aider à élaborer ce plan d'action. Et après, ça sera donc partagé avec tous les acteurs, comme euh, je l'ai relevé. C'est de mhm. manière consensuelle. On a compris qu'il faut un consensus. S'il n'y a pas de consensus, on ne peut pas prendre en charge cette question-là. Et donc, une fois que ce plan sera élaboré, nous allons le partager avec tous les acteurs. D'ailleurs, dans le processus, tout le monde sera impliqué et on va essayer de se l'approprier à travers des initiatives. Nous, nous sommes au niveau stratégique et conceptionnel. C'est eux les ONG qui sont sur le terrain. C'est à eux de mettre en œuvre. Nous, nous concevons, mais nous allons faire le suivi de la mise en œuvre. Mais nous voulons que tous les acteurs euh, soient impliqués dans le processus. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce forum. Euh, mais avant, Madame Mariama, euh, que faire concrètement pour réduire le taux de mariage des enfants Pour réduire le taux de mariage des enfants. Moi, je pense que la sensibilisation doit être de mise. Et il faut qu'il y ait vraiment une loi spécifique réprimant ces pratiques-là au mmh. Niger. Tant qu'on ne dispose pas d'une loi qui prend en compte vraiment des mesures euh, pour euh, sanctionner les auteurs, nous aurons toujours du pain sur la planche. Il faut que la loi soit revue que le code même civil soit revu pour fixer vraiment un âge par rapport aux questions du mariage, des, enfants. Et nous souhaiterions aussi que les structures qui œuvrent dans ce domaine soient accompagnées, surtout au niveau de l'aspect prévention et prise en charge de ces cas. Et je profite vraiment euh, de ce micro-là pour remercier le, le studio Kalangu qui a initié ce débat qui nous a permis de faire un face-à-face avec le directeur euh, général de la protection de la femme parce que on ne se voit que rarement. Or, si vous continuez à créer ce, ce genre de, de cadre, mm-hmm. je pense que la voix de tout le monde sera entendu sur l'ensemble du territoire. Merci à vous. Et Monsieur Alzuma, euh, pour finir, vous, quelle euh, proposition pour euh, empêcher les petites filles de se d'être mariées très tôt Bon, <clears throat> on a, je pense qu'on a, on, a longuement dit cela. Et on devrait en tout cas aller sur les deux, sur les deux côtés. Mm-hmm. Intensifier les, les sensibilisations donc, pour prévenir ces, ces marais des enfants-là mais aussi, il ne faut pas perdre de vue la prise en charge parce que quand ça survient, maintenant, on n'est plus au stade de prévenir, mais il faut gérer. Et la gestion, aujourd'hui, ne peut se faire que sur euh, les deux, euh, l'aspect euh, purement juridique. Parce que le mariage est déjà fait. Maintenant, comment faire pour l'annuler Ou alors, et en l'annulant aussi, il faut prévoir des sanctions, comme on l'a dit, pour vraiment empêcher tous ceux qui ont en tête l'idée de faire un mariage des enfants vraiment que se dissuade. Et je pense que c'est en allant sur ces deux niveaux-là que nous pouvons venir à bout du phénomène de mariage. Autre chose aussi, et c'est la scolarisation de la jeune fille. Le mhm. docteur l'a dit, quand on, on s'appuie sur la scolarisation des jeunes filles, donc déjà, on peut euh, réduire de manière substantielle le cas des enfants qui, sont, qui, peuvent être mariés. Mm. Donc vraiment, je pense que c'est ces aspects-là. Mm. Mais autre chose aussi, en dehors de la scolarisation, il faut aussi lutter pour le maintien de ces filles à l'école. Parce mm. qu'aujourd'hui aussi, c'est, toute notre bataille se focalise à ce niveau-là. Les filles sont scolarisées, oui, parce que si vous regardez les chiffres aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, en tout cas, il y a eu une montée en flèche de la scolarisation des jeunes filles. Mais maintenant, comment faire pour les maintenir Parce qu'il y a beaucoup de déperditions, des filles qui quittent l'école pour être données en mariage. Donc nous, maintenant aussi, ça aussi, c'est une bataille que nous sommes en train d'engager. Et déjà, dans le cadre du projet que nous mettons en œuvre, nous avons eu beaucoup de pistes de réflexion, nous avons développé des stratégies pour nous permettre vraiment de maintenir les filles à l'école. Monsieur le directeur, votre mot de fin moment de, fin. Donc euh, c'est le mot de fin de presque euh, tout le monde et comme euh, comme stratégie aussi pour un peu aller dans le même sens que Alzuma. Récemment en décembre, le gouvernement a, a pris un décret portant scolarisation, protection. On a dit protection, maintien et accompagnement de la jeune fille en cours de, mhm. scolarisation. On a compris que tant qu'il n'y a pas d'accompagnement, même si on scolarise, la jeune fille va très vite quitter l'école. Parce que souvent, on l'a balayé toutes ces causes. C'est la pauvreté, le nœud gordien de cette situation-là. Pour lutter contre cette pauvreté-là, il faut appuyer les, les, parents. Non seulement dans ces programmes filets sociaux qui sont là, il y a beaucoup de programmes qui sont là, menés par l'État et les partenaires, notamment en termes d'appui, de kits scolaires, d'appui aux parents, de bourses aux jeunes filles pour leur permettre vraiment de rester à l'école. Mhm. Et l'appel que je lancerai ici au nom du gouvernement et du ministère donc que je représente, c'est dire vraiment cette bataille contre le mariage des enfants ne peut être gagnée qu'à travers l'implication de tous les acteurs. Personne ne peut chacun doit mettre sa main dans la pâte, surtout les partenaires mhm. euh, financiers, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tout ce qu'on aura euh, comme ambition risquerait de tomber dans l'eau. Merci à vous. Merci. Et c'est ici que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec M. Ousmane Amadou, directeur général de la protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Remoussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes des Violences Familiales. Monsieur Alzouma Traoré, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Merci chers invités, d'être venus et merci à nos chers auditeurs et auditrices d'être restés à l'écoute. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique. Au revoir.